Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Et de Wani Wamakara. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halou Mouni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le studio Kalangou du Niger et le studio Tamani du Mali sont à Gao au Mali pour co-animer le forum et le grand dialogue ensemble sur le thème La migration irrégulière vers l'Europe, causes, conséquences et solutions. Nous sommes dans les locaux de la radio Fitila Gao, la septième région du Mali, et comme au Niger, la région d'Agadez où passent de nombreux migrants vers les pays du Maghreb en direction de l'Europe. Si le Niger est considéré comme pays de transit pour beaucoup de migrants, le Mali est quant à lui un pays de départ, en même temps pays de transit pour les candidats à la migration irrégulière. D'où viennent-ils ces migrants Pourquoi choisissent-ils de partir Quelles sont les difficultés rencontrées et comment y remédier Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons trois invités. Ibrahim Mihrata Maïga, coordinateur de l'association d'Ireban. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et Moussa Yehaya Touré, membre du conseil communal des jeunes de Gao. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et Diallo Abdoulaye, il est ancien migrant également avec nous. Bonsoir, monsieur Diallo Abdoulaye. Pour la présentation de l'émission, je suis Alassane Kouzi Mahmadou, journaliste au studio Kalangou du Niger, avec mon confrère Imrana Kilou Mega, journaliste au studio Tamani du Mali. Le Grand Dialogue. Une grande partie des candidats à l'immigration irrégulière jeune. Pourquoi ce jeune tente cette aventure considérée comme un danger Je vous propose de suivre la réponse de deux migrants guinéens qui ont accepté de nous parler. J'étais en terminale, j'avais fait une fois le baccalauréat. Et pourquoi tu as choisi de partir Parce que ma famille était euh, une famille pauvre. J'ai envie d'enlever cette famille euh, dans la pauvreté. Vous voyez maintenant. J'étais tellement souffert en Guinée. Il n'y a pas de travail. J'étais un sportif. Je jouais dans l'équipe chez IGAS à Mamou. J'ai décidé d'être un footballeur. Je rêvais les jouer en Europe. Je suis pris la route là pour aller en Algérie, me débrouiller, d'aller en Espagne, mais Dieu n'a pas voulu que je parte. Ibrahim euh, Miharata, quelle est euh, votre réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre Oui, euh, bonsoir monsieur. Donc, en réalité, ce que nous venons d'entendre, je pourrais bien répondre parce que c'est un travail que nous sommes là dans ça fait à peu près 11 ans. Donc, nous avons toujours vu des migrants qui qui nous parle comme ça parce qu'en réalité, ils quittent le pays d'origine parce qu'il y a trop de problèmes. Euh, bon, il y a aussi beaucoup de causes qui leur font quitter parce que souvent il y a la guerre, il y a manque de travail, euh, il y a tout. Voilà. Monsieur Miharata, est-ce des raisons suffisantes pour partir de chez lui pour une aventure, en tout cas euh, dans un endroit inconnu Bon, euh, ce n'est pas une raison totale parce que moi je pense que beaucoup de. Par exemple, si j'ai répondu directement à la question du, migrant et du national guinéen qui vient de parler, les difficultés qu'ils ont en Guinée, beaucoup de pays, euh, les gens ont, ont les mêmes problèmes mais cela n'empêche que beaucoup restent. Si nous prenons le cas du Mali, quelles sont selon vous les raisons principales pour lesquelles, en tout cas, les jeunes Maliens décident de prendre la route euh, de la migration Bon, pour le cas du Mali, il y a beaucoup de raisons. d'abord, euh, tu sais, d'abord, euh, le Mali, c'est un pays où il y, a beaucoup, beaucoup de gens qui sont immigrés ailleurs et les gens aussi qui sont immigrés ailleurs, il y a eu beaucoup qui ont euh, beaucoup gagné d'argent. Donc, euh, c'est ce qui fait que beaucoup qui, qui, qui, qui voient les autres qui sont petits en gagné de l'argent. Donc, eux aussi, préfèrent prendre la route. Voilà. Euh, Moussa, euh, vous, vous, êtes, euh, représentez le conseil communal de jeunes de Gaou. Alors aujourd'hui, la majorité qui partent à l'immigration est bien sûr jeune. Qu'est-ce qui explique cet amour, cet amour pour le jeune d'aller à l'aventure Bien, c'est l'adolescence, moi je dirais. c'est la folie de jeunesse. On a toujours le désir ardent de connaître ce qu'on ne connaît pas, de voir ce qu'on n'a pas chez soi. Et souvent, on se trompe des images ou bien des, histoires qu'on nous raconte. Parce que lorsque quelqu'un vous dit qu'il a passé par tel chemin, ou bien un autre ami vous raconte qu'un tel a passé par tel chemin pour arriver, pour devenir ce qu'il est devenu, vous êtes souvent tenté. C'est parce qu'il y a l'âge de l'adolescence qui est là. Il y a aussi le fait que on se croit capable. L'autre a fait, pourquoi pas moi Mais on oublie au même moment que ce que l'autre est en train de devenir ailleurs, je peux le devenir chez moi. Et c'est plus rassurant qu'ailleurs. Parce que très sincèrement, nous, on a vu quand même des gens qui ont commencé même à réussir ailleurs, il suffit d'une patrie pour les ramasser, pour qu'ils perdent tous leurs biens qu'ils ont et revenir souvent même en prison. Abdoulaye Diallo, vous êtes euh, un ancien euh, à l'immigration. Pouvez-vous nous expliquer euh, votre expérience Oui, mon expérience, c'est une chose que... Je vois tous les mois, nous fait l'immigration, moi aussi je le fais en disant que je vois la pauvreté ici au Mali, on a fait tout pour chercher la solution, on n'a pas eu la solution pour trouver les, choses qu'on a trouvées ici, là, ça ne vaut pas. Les gens qui quittent en Libye, on disait que, et eh, Libye, il y a des travail, quand tu passes là-bas, tu fais un mois, tu peux trouver même deux ou 3 millions, toi aussi tu souffres de partir pour trouver, pour que tu n'as qu'à sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, comment ressemble votre vie moi, mon vie est maintenant est très bon puisque les jours que je suis dans l'aventure. Parce qu'aujourd'hui, je suis là à côté de ma famille, je suis là à côté de ma père, avec mon propre, avec mon propre ville. Je vis bien aujourd'hui, puisque ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, même si je n'ai pas réussi, je réussis un peu. Ah. Je vois 80%. Parce, euh, oui, Monsieur Diallo Abdoulaye, euh, ancien migrant, hein, aujourd'hui vous n'êtes plus migrant, vous avez en tout cas arrêté de partir en, aventure. Est-ce que vous pouvez nous dire, ça fait maintenant combien d'années que vous avez cessé d'aller en aventure et pourquoi vous avez arrêté de partir et vous êtes là maintenant euh, chez vous j'ai arrêté la migration, ça fait 12 ans aujourd'hui, parce que en 2007 que j'arrivais aussi au Mali. J'ai fait huit ans dans l'aventure. Et je ne gagne rien aussi, je venais avec ma main vite. Lorsque j'étais en aventure, je dis aujourd'hui sans retour. Et mais je vois les conséquences. Les jours que je viendrai, je vois beaucoup de choses à changer dans mon derrière. Les jours que je me trouvais ici, mon petit qui travaillait devant moi est devenu des patrons, Et aujourd'hui, c'est moi qui deviens petit pour lui. Pourquoi Parce que je laissais mon pays des uns, je laissais mon espérance que j'ai trouvais dans mon pays aussi, j'ai perdu tout. Aujourd'hui, je vais venir travailler ici au Mali, au Gao. Le jour qu'on a construit Dreyben, ça c'est en 2008. Nous les anciens migrants, on voit les migrants qui est fatigués, dormaient dans la rue. On dit on défend notre frère et notre ami. Moussa Yehia Atouré, représentant du conseil communal de jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, toute cette jeunesse qui se donne à l'aventure, euh, on peut dire, est-ce qu'elles euh, arrivent à, réussir dans cette aventure Même pas. On ne peut même pas parler même de la moitié, à fortiori toute la jeunesse. Lorsqu'on sait que d'abord, au tout début, il y a des triangles qui les prennent pour les faire comprendre qu'ils vont les amener dans, un premier pays d'accueil, chose qui n'est pas toujours vraie. Nous, on a quand même des échos. Il y a des gens qui les amènent en plein désert. Vous savez, euh, la lueur de la lumière souvent fait que à 200 km souvent dans le plein désert, tu peux observer la lumière en pensant que c'est 2 ou 3 km. Souvent, c'est avec ça que on fait de certaines des victimes on les laisse pour les dire par là, là, il faut marcher juste pour arriver à destination, alors que tel n'est pas vrai. Ils vont faire peut-être deux jours ou trois jours de marche, l'eau finie, le manger fini, et finalement ils crèvent. Il y a cet aspect. Il y a l'aspect des coxers qui les embarquent dans une maison close souvent. On a aussi des échos parce que on a eu quand même à faire des ateliers de formation avec euh, un représentant, n'est-ce pas, qui luttent dans le même, euh, dans le même cadre. Il nous a fait comprendre qu'il y en a qui se font enfermer dans une maison close et ces mêmes gens-là, les exploitants, après avoir fini de les exploiter, ils les torturent et mettent le téléphone sur haut-parleur pour que les parents ailleurs les écoutent et que puissent envoyer ce qu'ils demandent, sans quoi ils vont les tuer. Ça aussi, c'est vraiment des problèmes et tous ces problèmes, quand on regarde, on est confronté à ces problèmes que lorsqu'on se lance, n'est-ce pas, dans cette aventure ah bah. inconnue. Ah, ah, alors, Ibrahim Mihrata, maïga, coordinateur de l'association d'Irayban, en tout cas, vous, vous avez cette association Diraïban qui accueille souvent les, migrants euh, refoulés euh, de ces pays. Euh, où ils vont en aventure avant d'atteindre euh, l'Europe. Et souvent, ces gens, quand ils reviennent, ils, se confient à vous et c'est pratiquement ces, euh, ces scénarios. Bon, effectivement, comme mon ami vient de le dire, c'est vrai. <coughs> D'abord, euh, on a parlé de l'association des anciens migrants qui est Les mots même pour ceux qui parlent bien le soir ils le savent, pour, ce que ça veut dire Deribienne. Deribienne, ça veut dire que aujourd'hui, c'est-à-dire le voyage d'avant et le voyage d'aujourd'hui est différent. Avant, quand tu vas dans un pays, dans un autre pays, tu vois que tu es plus respecté par rapport à aujourd'hui. Donc, euh, effectivement, quand les migrants reviennent au niveau, quand les, les, migrants sont de retour, nous on les accueille dans notre centre pour bien les écouter, pour qu'ils puissent nous expliquer ce qu'ils ont rencontré sur la route en partant et au retour. Effectivement, effectivement c'est ce que mon cousin vient de dire. C'est-à-dire, euh, je ne sais même pas comment expliquer. Et, euh, comme on l'a dit, euh, le voyage, ce n'est pas la pauvreté seulement qui, qui, pousse les gens d'aller à l'extérieur. Souvent, même, il y a même des problèmes de famille. Par exemple, nous, nous les, Africains, on se marie beaucoup. Et souvent, quand tu te maries avec une femme, la, première, la première femme part et laisse ses enfants. Et la deuxième femme qui vient ne s'entend pas bien avec eux les, enfants du, du, monsieur. Donc, du coup, euh, l'enfant n'a plus quand même l'amour de rester en famille, il va à l'extérieur. Et, voilà, qui pousse c'est ce qui pousse que beaucoup de gens voyagent. Voilà, c'est ce que je peux ajouter. Pour partir en Europe, les candidats à l'immigration irrégulière passent par plusieurs pays, comme le dit euh, Moussa Yahia, et empruntent euh, divers itinéraires, les uns plus dangereux que les autres. Pour cela, je vous propose euh, de suivre Hassan Boukar, membre du département immigration au sein de l'association alternative Espace citoyen au Niger. Des voies qui partent euh, du Sénégal, qui remontent euh, vers le sud du Maroc en passant par la Mauritanie. Il y a aussi ce passage qui traverse le territoire malien puis Bamako qui remonte à Gao jusqu'à Kidal afin de rejoindre le sud de l'Algérie, notamment la zone de Tamaracet. Et il y a ce passage qui traverse le Niger jusqu'à Agadez et qui part euh, vers Alité à Samaka en direction de l'Algérie puis vers euh, Dirkou et la frontière libyenne pour ceux qui veulent aller vers la Libye. Euh, mais le Niger, depuis 2015, le Niger est apparu comme un des pays qui est traversé. Rappelez-vous qu'en 2015-2016, momentanément, on a même avancé les chiffres de 100-150 000 par an qui traversent le Niger en direction du Maghreb. Donc ça donne une idée du nombre de personnes qui sont concernées par ce passage-là. Abdoulaye Diallo, euh, vous êtes un ancien à l'immigration. Combien de pays vous, vous avez traversé pour arriver à destination là où vous êtes parti pour la première fois Ma première fois, j'ai fait seulement au Ghana. Et après que j'ai quitté au Ghana, j'ai dit au Ghana là maintenant c'est pas bon. Je vais aller au Bénin. Au Bénin aussi, j'ai fait là-bas. J'ai dit que non, c'est pas bon. J'ai allé au Nigeria que tout le monde va partir pour venir. et dit qu'au Nigeria là, on peut gagner quelque chose. J'allais faire deux ans là-bas, je ne vois rien après. Je retourne au Togo. Et mon frère me dit que mon frère, il ne faut pas gâter ton temps. Il faut aller en Europe. J'ai dit, mais comment je vais aller en Europe Il dit, il faut aller à Gao. Moi, je suis, je suis de Gao. Il dit, hey, tout le monde passant par Gao, toi tu me dis que tu ne connais pas Gao. Non, moi je, je n'ai à Gao parce que tout le monde va partir en Libye. Mais Libye là, parmi moi, je vois mes parents, mes amis qui fatiguent dans la route pour aller. Parce qu'il y avait des gens même qui sont blessés là-bas, qu'on ne voit même pas parler. Ils ne sont même pas parlés. Ils commencent à parler jusqu'à en train de pleurer. Pour moi, je dis que les pays arabes, pour moi-même, les gens rentrent dans un danger. Mais pour moi, j'allais en Amérique, j'ai pris mon visa, Je dis que je vais aller en Amérique. Parce qu'il y avait euh, mon ami labérien qui quittait les guerres de Labéria, là, qui venait de Ghana. Ils ont mis là-bas. Il m'a dit que mon frère, tu voulais partir parmi nous pour aller en Amérique. J'ai dit bien sûr. Il m'a dit que tu auras un million CFA. J'ai dit oui, j'en ai. So, mais maintenant, je vais te faire des visas. Tu vas faire des nationalités labériennes. Pour qu'on puisse en partir. Les jours que j'ai payé de l'argent, c'est le jour même que mes parents font des lettres. Là, là il n'y a pas de téléphone. me dit que ton père est décédé. Mon frère ami, je lui ai confié la parole. Je dit, et eh, aujourd'hui, je tombe dans une piège que je ne savais pas que je vais sortir là-dedans. Parce que j'ai déjà payé mon argent et mon père est venu partir pour me laisser. Il y a mes parents, il y a mes frères qui étaient là, sont des pauvres. Et aujourd'hui, comment je vais faire Je l'appelle les gars. Il me dit que si tu veux, il faut venir, on va aller ensemble. Si tu ne veux pas aussi, tu laisses. Tu vas rentrer au Mali. J'ai dit, mais avec ma main vite. Il dit que mon frère, tu ne trouves pas de l'argent. Hein. Si tu veux seulement, on y va. J'ai dit non. Il y a mon frère, il s'appelle Moussa. Moussa me demande qu'est-ce qui se passe. Je le raconte. Il me dit que maintenant, je te donne 100 000 francs pour que tu puisses me, rendre, tu me donnes ton papier. Moi, je vais aller qui peut aller au J'ai dit, je te donne un million et les gens me donnaient des cent mille. J'ai dit, il n'y a pas de souci, il faut me donner. Même si c'est 50 000, il faut me donner. Je rembourse les papiers, moi j'arrive. Et lui, si ce n'est pas aujourd'hui que je perds son numéro, chaque semaine, Moussa m'appelle. Et dit, ça va, ça va. Je suis en Amérique. J'ai dit, félicitations. Je te réponds, merci. Alors, euh, euh, euh, monsieur Moussa Yehia, vous êtes du conseil communal de jeunes. Aujourd'hui, la plupart qui partent à l'immigration, c'est des jeunes. Comme il vient de rencontrer son calvaire, le calvaire qu'il a rencontré. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que fait la jeunesse de Gao pour stopper ce fléau Bien, nous sommes là-dessus. Nous sommes là-dessus tous les jours que Dieu fait. Nous sommes sur, en tout cas, nous sautons sur toutes les occasions pour un peu sensibiliser, pour montrer, n'est-ce pas, les impacts négatifs de cette immigration. Parce que d'abord, ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que le, le développement de toute cité dépend, n'est-ce pas, de sa jeunesse. Alors si notre jeunesse s'en va pour laisser les vieux et les vieilles, j'avoue que nous allons encore revenir et retrouver notre cité au même état, pendant que c'est notre jeunesse qui doit travailler pour effectuer, effectuer véritablement ce changement. Il y a aussi l'aspect risque que nous connaissons tous. Aujourd'hui, quand vous partez en aventure, n'est-ce pas, le clan avec lequel vous partez, c'est du n'importe quoi. vous, vous partez souvent avec des brigands, vous partez souvent avec des sorciers, vous partez souvent avec des maladifs. Donc, si cette euh, migration, même lorsqu'elle réussisse, c'est avec risque et péril. Parce que souvent, vous arrivez au pays euh, de destination avec une maladie. Alors, dans la pauvreté, quand vous êtes malade, comment il faut faire même pour être sur pied, a fortiori travailler pour avoir ce que vous cherchez. Alors, est-ce que ces messages, c'est des messages en tout cas que vous, vous avez l'habitude en tout cas de porter à la connaissance de la grande majorité des, des jeunes, souvent oisifs qui n'ont pas de travail, hein, qui pensent qu'il faut forcément partir Bien sûr, c'est des messages que je dis chaque fois que l'occasion se présente. Nous ne cessons de faire comprendre, n'est-ce pas, à la jeunesse que le développement de la cité dépend d'eux. Du coup, il faudrait qu'on se serre les coudes, il faudrait qu'on prenne du courage pour que nous sachions que, en tout cas, cette cité, son développement, sa réussite dépend de nous. Et même la réussite de nous, bien sûr, il y a des jeunes qui n'ont jamais bougé ici, mais pourtant aujourd'hui, ils sont dans des très belles affaires. Ils ont pu ouvrir leurs entreprises, ils travaillent et ils font travailler certains jeunes. Ça, c'est des exemples qu'on montre pour pousser, n'est-ce pas, les autres. J'avoue que même après 2012, après la reconquête, les premières rencontres que nous avons eues à faire avec euh, euh, l'opération Serval et puis avec euh, la, la, la MISMA, mm. avant la MINUSMA, bien mm. sûr, nous leur avons dit que la priorité doit être donnée, n'est-ce pas, à l'entreprise locale. Et ça, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour endiguer ce fléau, c'est pour l'empêcher, c'est pour pousser nos jeunes, nos camarades à ne pas partir ailleurs, à profiter, n'est-ce pas, des opportunités qui se trouvent sur place, parce que c'est en cela et en cela seulement qu'on peut s'épanouir et permettre aux autres de s'épanouir sans qu'il y ait risque. Ibrahim Miharata, euh, les migrants euh, refoulés euh, des pays d'accueil arrivent à Gao fatigués. Comment l'association d'Ireben fait pour accueillir ces candidats à l'immigration irrégulière Bon, nous, en réalité, les migrants, nous sommes là, nous avons des partenaires partout. Nous, nous, sommes, nous, sommes, un réseau qui est dans beaucoup de pays. Nous avons un représentant d'Algérie, nous avons un représentant au Maroc, nous avons un représentant en Tunisie, nous avons un représentant. En Mauritanie, nous avons un représentant. Au Sénégal, nous avons un représentant au Niger et notre représentant c'est bien à Boukar. En réalité, dès que les migrants, surtout vers le côté du Mali, depuis à la frontière, nous sommes déjà au courant que les migrants sont au niveau de, la frontière. Donc, euh, nous sommes en collaboration avec la Croix du Mali et puis le Yem de Gao. Donc, ils s'organisent euh, à tout faire pour amener ces migrants-là au niveau de Gao. Et quand ils arrivent euh, au centre de Drében, à partir du centre de Révienne, euh, et, même voir que la vie commence à changer. Et c'est là-bas qu'on les sensibilise pour déclenchement de la vérité. Parce que tous ceux qui partent chercher ailleurs, euh, tout ceci, on peut le trouver ici chez, nous, Parce que d'abord, euh, je vais prendre l'exemple sur moi-même. Moi, je suis sorti en famille, de ma famille à l'âge de 16 ans. J'ai fait beaucoup de pays. Et en réalité, quand je, quand je suis parti dans, ce, dans cette aventure, ce n'est pas la pauvreté qui m'a poussé d'aller. Je suis parti voir euh, en réalité le terrain, qu'est-ce qui se passe, où on peut avoir une meilleure vie. Donc j'ai vu partout là où je suis parti, c'est l'agriculture, la pêche, le commerce, et tout ceci existe ici, ici même. Donc euh, nous sommes revenus, dans tous les cas, tous les migrants qui sont de retour quand même, après avoir fini de les accueillir et les écouter, on leur dit notre mot. Parce que d'abord, nous, notre association, ce n'est pas une association qui empêche, euh, qui empêche les gens de voyager. Nous, on n'empêche pas. Parce que chacun à sa cause pour provoquer, bien quand même, on les montre quand même le danger qui se trouve quand même sur la route. Et vous les aidez, vous les aidez aussi avec vos partenaires justement à retourner, euh, en tout cas en toute sécurité, dans, dans leur famille d'origine. Oui, quand les migrants arrivent, nous on les donne le temps quand même de se reposer dans le centre pendant trois jours. Euh, ceux qui sont malades, on essaie de les, amener à l'hôpital pour les traiter. Et ceux qui n'ont pas d'habits, on les fait, on les donne des abus, tout ce qui, qui est possible. Et ceux qui n'ont pas de papiers aussi, on essaie avec la police malienne pour faire euh, une fille d'acheminement pour qu'il puisse retourner au pays sans problème. Et on peut aussi le transport. Et euh, par rapport au principale difficulté que ces migrants rencontrent justement, en tout cas dans leur parcours avant euh, de, revenir, euh, en tout cas euh, à Gao. Nous avons rencontré justement quelques jeunes migrants qui étaient refoulés de, l'Algérie au niveau de Direban et nous avons posé la question à un migrant guinéen refoulé par rapport à son parcours. Nous allons l'écouter. Je suis venu jusqu'en Algérie, mon rapatrier en Oran, là où j'ai travaillé, à Magnéa, dans le jardin là. J'ai travaillé là-bas à Magnéa, Ils m'ont fait sortir jusqu'à dans le désert. Nous ont dit Yallah, Mali. D'autres, ils les attrapent dans leur travail, d'autres, ils les trouvent dans les foyers, ils les attrapent, ils le mettent dans un camion, ils les jettent dans le désert. Ils disent « Yalla, Mali, suivez la route vers le Mali, allez-y. On était au nombre de 26 personnes, il y avait 6 de nos amis qui sont décédés au désert là-bas. On a marché jusqu'à Khalil, on a trouvé un vieil là-bas, il nous a accueillis, il nous a gardés là-bas trois trois jours comme ça. Il nous donnait à manger et puis l'eau à boire. Il nous a fait montrer là-bas un docteur qui s'appelle Alphonse Adna. Lui travaille à la Croix-Rouge. Il nous a visité là-bas. Il nous a donné tous deux médicaments. Après, il, a contacté la Croix-Rouge malienne. Il nous a embarqué là-bas avec les vieux qui nous a ramassés dans le désert. On est venu jusqu'à Taslit. On a fait là-bas quelques jours comme ça. La Croix-Rouge malienne nous a trouvés là-bas. Après, il nous a embarqués dans le même pick-up il nous a envoyé jusqu'au Gao ici, le centre d'accueil du Rebent. Il nous a accueillis ici, il nous a dit qu'il va nous aider à rentrer chez nous. Moussa, euh, vous, vous êtes euh, du Conseil communal de jeunes. Comment expliquez-vous le traitement dont sont victimes les migrants euh, dans certains pays du Maghreb, notamment en Algérie c'est ce que je disais dès au départ. Vous savez, on ne peut jamais avoir, n'est-ce pas, les rouges qu'on a chez soi. Ça, c'est la triste réalité. Quels qu'en soient les moyens, n'est-ce pas, financiers d'un pays, quel qu'en soit le développement d'un pays, lorsque vous êtes étranger, vous êtes toujours étranger. Peut-être que les, comportements à votre égard diffèrent d'un pays à l'autre, mais vous ne serez jamais à l'aise. Pour la petite histoire, souvent, vous travaillez étant migrant dans un autre pays, c'est lorsque vous devenez riche que vous aurez des problèmes. Il y en a qui vous font ça. Il y en a qui, c'est par pur racisme, le fait que vous ne leur ressemblez pas, ils savent déjà que vous n'êtes pas de leur pays, c'est ce qui vous cause problème. Il y en a, bon, il y a beaucoup de paramètres. Donc moi, je ne prendrai pas seulement l'Algérie, moi je prendrai au-delà. Moi, je parlerai même de l'Europe. Même l'Europe là que vous voyez, les migrants qui partent là-bas, souvent c'est lorsqu'ils commencent à devenir riches, n'est-ce pas, qu'ils ont les problèmes. C'est en ce moment qu'on les rapatrie, puisqu'ils sont à l'étranger, ils sont venus de façon informelle. On va profiter pour non seulement bloquer leurs ressources, mais aussi les faire retourner, nest pas, dans des situations inhumaines, dans des situations euh, comment dirais-je, condamné par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que lorsque un homme, n'est-ce pas, vous abusez jusqu'à toucher à sa dignité, vous, vous, vous lui déshabillez ou bien vous le cravachez déjà, vous enlevez la dignité humaine en cette personne. Voilà un peu des situations qu'on essaye en tout cas de montrer non seulement à nos camarades migrants qui sont de retour, mais aussi à ceux-là qui semblent être tentés d'aller. Parce que il ne faut pas voir sur 100 lorsque un ou deux réussissent pour dire que je peux être le troisième qui réussisse. Il faut voir, n'est-ce pas, le pourcentage de ceux-là qui ont échoué et prendre ça comme du positif pour se rabattre sur soi-même, pour garder son sang-froid, pour essayer de travailler chez soi et devenir ce que on doit devenir. Bref, nous, nous dirons tout simplement dans tout ça, là, puisque nous sommes dans un pays musulman, nous sommes dans une région musulmane, je dirais tout simplement que les gens n'ont pas la croyance au vrai sens du terme. Parce que ce que Dieu t'a prévu là, quelle qu'en soit la situation, tu vas l'avoir. Que tu sois dans le désert, que tu sois euh, dans un pays côtier, etc., etc., tu vas avoir ce que tu dois avoir. Donc tu dois faire attention pour ne pas tomber dans des risques. Aujourd'hui, ce que le Mali traverse, en plus de tout ça, n'est-ce pas, il y a des, des, radicaux qui vont vous rassembler souvent pour faire de vous des kamikazes. Parce que tout simplement, vous êtes sans défense, on vous entoure de bombes, on vous envoie vous exploser quelque part. Et c'est après, n'est-ce pas, les débris, après avoir ramassé les débris, qu'on découvre qu'un tel est de telle nationalité. Euh, Ibrahim, euh, ici, euh, comment peut-on comprendre qu'un pays frontalier avec le Mali, notamment l'Algérie, parvient à refouler les Maliens Merci beaucoup pour, pour la question. J'aimerais beaucoup cette question parce que nous, le problème que nous avons aujourd'hui euh, avec tous les pays, c'est l'Algérie. Pour nous, notre problème, c'est l'Algérie. Parce que l'Algérie, quand l'Algérie se lève pour ses refoulements, il n'a pas besoin de contrôler qui que ce soit. Il, prend, il ne regarde pas, il ne regarde pas les, papiers, rien, rien, rien, Tout ce qu'il qui prend, c'est pour les fouler. Donc nous, euh, en réalité, ce que nous avons, effectivement, il y, a, le Maroc, il y a la Libye, il y a partout, mais nous, nous l'association de l'Ébène, en tout cas, selon ce que nous nous écoutons avec les migrants, le problème c'est l'Algérie. L'Algérie s'en fout mal de des accords bilatéraux, rien, rien. Effectivement, c'est ce dont je parle. Je dis comment est-ce qu'on peut expliquer cela Bon, nous avons, nous, on n'a pas d'autre moyen. Nous ne font que dénoncer dire ce que ce qu'on raconte, qu'on entend avec les migrants. On ne fait que dénoncer. On n'a pas d'autre solution que dénoncer. Parce qu'on a vu aussi en échangeant avec certains de ces migrants refoulés que la plupart d'entre eux, en tout cas, ne sont pas là-bas que pour quémander Ils sont là-bas. La plupart d'entre eux travaillent soit sur des chantiers, travaillent dans des jardins. En tout cas, ils ont des activités à faire. Et souvent, c'est sur les lieux de travail qu'on les prend on les met dans des, véhicules et on les envoie dans le désert. Donc souvent nous, euh, souvent nous appelons nos partenaires qui sont là-bas. Là, chaque fois qu'il y, a, un refoulement, on essaie de, chercher pourquoi ce, ce refoulement. En réalité, d'abord, l'Algérie, c'est, je ne suis pas un Algérien, mais selon ce que j'entends, l'Algérie, c'est un pays musulman qui n'est pas d'accord avec certains comportements africains. Par exemple, hier, quand vous êtes venu de le centre de Rivière, vous avez vu quand même des migrants qui sont rasta, qui ont de longs cheveux, qui s'habillent très mal. L'Algérie, c'est un pays musulman qui ne marche pas sur sa réalité. Il y a ça aussi. Donc euh, certains comportements peuvent expliquer aussi leur, leur comportement. C'est ça. Monsieur Abdoulaye Diallo, euh, vous, vous êtes euh, un ancien candidat à l'immigration. Aujourd'hui, si vous devez retourner à l'immigration, comment vous allez faire Bon, merci des questions. Mais quand je vais faire des retours à l'immigration, il faut que je sois très clair que j'ai mes papiers on avait beaucoup de problèmes sur le papier. Aujourd'hui, si on, nous les Maliens quand même, si on va partir en Algérie, on demande des passeports, on ne demande pas de carte d'identité. Et le dernier poste qui, quand tu viens, il te demande des passeports. Si tu n'as pas de passeport, l'on te dit que même tu as des cartes d'identité, l'on te dit que non, on a besoin de passeport. Il faut qu'ils vont te rembarquer pour te refouler. Ça aussi, il y avait un problème sur ça. Euh, Moussa Yehia, euh, parlant de euh, passeport, ici, on dit que certains candidats estiment qu'il est plus facile de devenir malien, notamment quand on est à Gao, il est plus facile de trouver des pièces d'identité maliennes. Est-ce que vous vous confirmez, vous qui êtes de Gao Bien entendu, je confirme. Et d'ailleurs, je confirme que si nos migrants ont des problèmes aujourd'hui avec l'Algérie et autres pays, c'est à cause de cela. Parce que très malheureusement, c'est ce que, n'est-ce pas, ces autorités, ces gens qui font leur patrouille au niveau de l'Algérie découvrent souvent. Ils trouvent quelqu'un qui a la nationalité malienne, qui a les pièces maliennes, qui malheureusement ne sait parler aucune langue du Mali. Et là, ça veut dire que le papier est faux. Du coup, même ceux qui sont innocents sont pris par la même chose. On les traite. Sinon, je confirme quoi qu'avant, les migrants, pour ceux qui est les migrants maliens, en tout cas quand tu détiennent des pièces maliennes, on te prend déjà comme étant insérieux. C'est sûr que tu as un métier que tu sais faire, c'est sûr que tu es venu en aventure pour bien bosser et avoir quelque chose. Alors comment ils arrivent à trouver ces, pièces-là c'est parce que c'est parce que tout simplement la corruption a gagné le terrain la corruption a gagné le terrain et à tous les niveaux. Où est-ce qu'elle euh, trouve cette, euh, À tous les niveaux, je dis, à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous, nous avons vu, n'est-ce pas, pendant Est-ce que vous, vous avez En tant que jeune Si, nous avons dénoncé. Auprès de qui Bon, auprès de qui C'est-à-dire, auprès de qui vous voulez qu'on dénonce c'est auprès, n'est-ce pas, de, tout, de tous les décideurs. Quand il y a des rencontres, n'est-ce pas, de sécurité, nous, nous parlons de cette situation devant tout le monde. Mais malheureusement, je vous donne un exemple palpable. Même l'autre jour seulement, le directeur national de la sécurité intérieure a déclaré que la carte d'identité nationale ne doit pas dépasser 700 francs. Alors qu'aujourd'hui, on le sait à Gao, si tu ne payes pas 000 francs ou 000 francs, tu n'as pas cette même carte d'identité. La déclaration est officielle, mais ce qui se fait officieusement, c'est autre chose. Soit tu payes cet argent pour l'avoir, soit tu ne payes pas, tu ne l'auras pas. Donc ça, c'est des problèmes. Et celui-là qui a les moyens, qui a le pouvoir de payer. Nous, on a vu aux premières heures de la reconquête une seule personne venir seulement avec des photos d'identité et des noms écrits sur un papier et qui sort avec 20 ou, 30 euh, pièces d'identité. C'est aberrant, c'est l'amertume, mais c'est la triste réalité. Vous voyez, donc c'est tous ces aspects-là qui ont fait que le citoyen lambda qui va essayer d'être un migrant un jour à rencontrer des problèmes parce que tout simplement, on ne se rassure pas que c'est son identité qui se trouve sur la pièce. Nous revenons à vous, Monsieur Ibrahim Miharata de l'association d'Ireben. Ces migrants qui reviennent, en tout cas, vous les accueillez. Est-ce que, quelque part, la plupart des difficultés que ces migrants rencontrent, c'est parce que ils sont dans un départ irrégulier, ils sont sans papier, ou bien euh, une partie d'entre eux euh, détient bien, en tout cas, des, documents de voyage Oui, ça existe beaucoup parce qu'en réalité, euh, réalité euh, même les Maliens, ils prennent vêtements. les Maliens entre le Mali et l'Algérie. Par exemple, un Malien qui va en Algérie, après trois mois, tu dois revenir au Mali pour faire le cachet. Mais quelqu'un qui va dans un, pays où tu devrais sortir chaque trois mois pour faire un cachet, tu restes, tu restes pendant un an ou six mois. Donc ça veut dire que tu n'as pas raison. Ça veut dire que le migrant n'a pas raison. Donc, et puis, euh, il y a beaucoup de pays, par exemple, il y a des migrants qui ne pouvaient pas traverser le Mali sans le visa. Ils savent bien que pour traverser le Mali, il faut un visa, mais ils viennent sans visa. Donc, euh, la police ou la gendarmerie sont obligés quand même de les verbaliser. Voilà, il y en a ça en paquet. On, dit qu'il y a des réseaux qui confectionnent des cartes d'identité ici à, Gao. Est-ce que vous, au niveau de votre association, euh, vous en savez quelque chose Bon, nous on entend parler ce que sur euh, nous, euh, les migrants, c'est quand ils sont de retour qu'ils viennent dans le centre. Et en très généralement, tous les migrants qui viennent, la plupart n'ont pas de papiers. La plupart des papiers ont été retirés depuis l'Algérie. Donc voilà, nous, on ne peut pas découvrir ça là. Quand même, on sait partout au Mali, il y a des gens qui disent qu'il y a des étrangers qui ont, le papier malien. Ça se dit en pagaie, mais moi, je ne pouvais rien dire par rapport à ça. Euh, par rapport euh, à, ces euh, papiers-là, vous, quand, lorsque vous êtes à l'immigration, est-ce que vous avez eu des difficultés par rapport à ces papiers-là C'est les papiers pour lesquels on vous a refoulé ou comment ça s'est passé il y avait les pays arabes, nous on disait que mon migration que je l'ai fait et le migrant même, on a fait beaucoup de sensibilisation pour la, la radio FM qui était à Gao. Quelqu'un qui va dépasser à Libye pour partir euh, quelqu'un qui va partir en Libye, par exemple. Ici au Mali, nous, on prend le passeport seulement. Mais il y a des nous-mêmes, si on part en Algérie, euh, en Libye, il faut une visa. Tout le monde, l'immigration, c'est la fraude. Nous, on prend toujours de la fraude. La fraude qu'on nous, on, on, nous appuie. Pourquoi Parce que quand on est parti pour euh, l'immigration, nous, on s'en fout des papiers, on cherche seulement de l'argent pour qu'on puisse partir. D'accord. Alors, euh, euh, Moussa Yehia, euh, du Conseil communal de jeunes, qui sont les bénéficiaires de cette immigration clandestine Qui sont les bénéficiaires À qui profitent Les bénéficiaires, ce sont, n'est-ce pas, ces brigands qui sont dans les différents réseaux. C'est eux seulement les bénéficiaires. Il y en a parmi eux des gens qui se comportent comme étant des transporteurs, qui vous prennent lorsqu'ils doivent vous transporter sur une distance de 100 km, ils vont vous amener peut-être à 80 km, etc. Et puis ils vont vous dire qu'ils sont arrivés à destination. Alors si vous devrez compléter ces 80 km à 100 km, vous serez obligé encore de donner quelque chose. Ça, c'est des brigands transporteurs. Il y a aussi les brigands qui se comportent comme étant des, des, des accueillants ceux-là chez qui vous partez en premier lieu. Eux aussi, ils vont vous faire vous mettre dans une maison close, ils vont vous faire payer quelque chose pendant votre séjour, peut-être ils vont vous payer, euh, comment dirais-je, le loyer, la nourriture, etc., puisque vous n'êtes pas du milieu, vous êtes obligé de vous conformer à leur volonté, ou bien vous ne serez nulle part, parce que tout simplement, vous êtes dans l'illégitimité. Sinon, si vous étiez est légalement parti, je pense que tout cela, on ne va pas le traverser. Le perdant, en tout cas dans cette situation, c'est le migrant lui-même. Parce que tu vas non seulement perdre ta richesse, ce que tu as comme fonds de départ, tu vas le perdre, tu vas risquer ta vie même souvent. Tu risques de mourir ou bien de tomber malade. Et à destination aussi, tu, tu, tu peux avoir la déception de telle sorte que tu te poses même la question comment y revenir, souvent c'est un problème. Euh, Ibrahim, est-ce qu'il y a une loi qui criminalise euh, euh, cette aventure à l'immigration Bon, il y a beaucoup de lois qui parlent de ça, mais ce n'est pas parler de ça qui, est important. Quand il parle, il faut appliquer. Par exemple, les associations, les associations ne font que dénoncer tous les jours, tous les toutes les nuits, mais il n'y a, a, rien. Hein. En réalité, c'est pas facile parce qu'en réalité, en réalité surtout, euh, je parle en du Mali, euh, l'aventure euh, pour que les gens le laissent, ce n'est pas du tout facile. Parce que nous, on trouve que c'est des, trucs qui sont organisés au sein des familles. Alors comment y mettre fin hein? Quelle solution Bon, la solution, il faut, il faut carrément qu'on dégage la pauvreté. On dégage la pauvreté. S'il n'y a pas de pauvreté, les gens vont rester. Hein. C'est ça <laughs> si les autorités décident ah. à mettre fin est-ce que les associations vont continuer dans cette lutte Oui, mais nous, nous sommes dans cette lutte-là à tout moment, mais c'est à voir est-ce que, l'État peut mettre fin à ça. C'est ça le problème, parce que comment l'État va mettre fin à ça Comme vous avez dit, Un État qui n'a pas les moyens pour se placer, même les étudiants qui finissent les études, l'État n'arrive pas à les placer. Comment mettre fin eh, à cette aventure je veux vous dire aujourd'hui que les, voyages d'aujourd'hui, là, c'est des voyages qui sont organisés au sein des familles. Par exemple, les migrants que nous nous rencontrons, il y a des migrants en partant, les, femmes, les papas ou les mamans, ils vendent leur bœuf pour les donner pour qu'ils puissent aller en voyage. Donc, quelque chose qui est préparé dans la famille. L'État ne pouvait pas refuser ça. Euh, Moussa voulait réagir par rapport à quelle solution faut-il, n'est-ce pas Moi, je pense que la solution, c'est qu'il ne faudrait pas se décourager toutes ces organisations-là qui sont en train de mener des séances de sensibilisation à l'égard de nos camarades jeunes, je leur dis courage et de ne pas se décourager. Moi, je pense que c'est seulement ces séries de sensibilisation qui pourront mettre fin à cette migration. Parce que très sincèrement, certains partent même avec un capital leur permettant de réussir à la maison. Et pourtant, ils partent. C'est étonnant lorsque vous, vous allez voir un migrant qui a des millions en poche, qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs Moi, je pense qu'à partir du moment où tu as des millions en poche, au lieu d'aller ailleurs, il faut chercher à créer des opportunités chez toi et puis te développer et développer les autres. Mais très sincèrement, c'est euh, euh, les sensibilisations là. En tout cas, c'est sur ça que moi je me cramponne pour dire que c'est seulement cela qui pourra mettre fin à ça. Sinon, dire que l'État dire que euh, les familles, etc., c'est les sensibilisations seulement. De sensibilisation en sensibilisation, je crois qu'on va retomber même dans les familles pour mettre fin à ça. Monsieur, Monsieur Diallo, Abdoulaye, ancien migrant, pour vous aujourd'hui, quelle peut être la meilleure façon, en tout cas, de mettre fin à toutes ces souffrances que les jeunes vivent en partant en aventure Comment on peut régler ce problème Merci comment on peut régler ces problèmes-là. Il faut qu'on crée les projets, on crée de l'activité pour que les gens puissent sortir de la, migration. Parce que l'immigration, c'est un virus. Ça, je vous dirais. Quand j'ai mis ma tête aujourd'hui, je vais partir en immigration. Je vais cacher même dire à la personne pour qu'il puisse me parler même, pour me mettre dans la, la Je vais dire qu'il ne voulait pas que je vais aller mais puisse euh, on rester pour travailler, il faut qu'on crée l'activité. L'activité. Donc créer du travail. Merci. est-ce qu'il existe aujourd'hui une volonté politique réelle pour mettre fin à cette immigration clandestine Bien sûr, le ministère euh, de l'Emploi et de la Formation euh, professionnelle exerce tous les jours, n'est-ce pas, des séries de formations à l'endroit des jeunes. Ça, ça n'a autre objectif que de réduire le taux de chômage. Lorsqu'on sait que la grande partie, n'est-ce pas, la grande cause de cette migration, c'est le chômage. Et si le département se soucie de cela, forme les jeunes, mais très sincèrement, c'est le suivi qui fait défaut souvent, parce que les formations ne sont pas faites sérieusement et les outils, les mesures d'accompagnement de ces formations aussi font défaut. Souvent, vous faites une formation. À la fin de la formation, normalement, au début, on vous dit que vous méritez avoir un matériel, mais à la fin de la formation, vous n'avez rien. C'est sur ce terme que prend fin ce débat est réalisé par Studio Tamani et Studio Kalangu dans le cadre du renforcement du projet de la Fondation Rwandelle. Nous avons été reçus sur les ondes de la radio Futilla, une radio partenaire de Studio Tamani à Gao. Le thème de ce débat était la migration irrégulière vers l'Europe, causes, conséquences et solutions. Nous étions avec euh, Ibrahim Miharata Meiga, coordinateur de l'association d'Ireben, Moussa Yahia Atouré, membre du conseil communal de jeunes de Gao, et Abdoulaye Diallo, ancien candidat à l'immigration. Ce débat a été co-animé par Imran Kilou Amaïga du studio Tamani, Alassane Kouzi Mahamadou du studio Kalangu. Merci de l'avoir suivi.